Oh là là Quel spectacle Je vous demande, je vous suggère, je vous prie de venir ici regarder ce magnifique spectacle. On n'a jamais vu ça à Louga. On n'a jamais vu ça ici au Stade al Oh, Bon, mais ça sama xarit l'homme d'état Bonsoir à Baba Ndiaye depuis Thiès c'est parti ici au a Albouri de Bench. premier ballon de Kano. Abdoulaye Diallo le capitaine qui joue derrière avec le dossard numéro 14 attention Bamba qui touche son premier ballon Bamba il est pressé récupération Abdoulaye Diallo la relance sur le plan gauche récupéré par la défense de Bench.

à la récupération il va saporiser euh, sur qui a le ne Papa Ndiaye la relance de Papa Ndiaye pour Boubacar Sen. est-ce qu'il va réussir à récupérer la balle c'est ce qui est fait moom Boubacar Sène doon benn procès gars yi doon ko arbitre arbitre et le premier carton jaune doyen dans cette partie et les joueurs de l'AGP qui ne sont pas d'accord et voyez ça non, le carton est mérité ce carton là est mérité mais ça aurait pu changer de couleur je crois que question de gestion de match, mais ce carton-là aurait pu changer de couleur. Parce que Moussa Bandia daal di am ci seen biir zone après cette faute commise par Boubacar encore une fois le dégagement ou bien la frappe du dossard numéro 6 repoussé par Papa Ndiaye encore tabaati dañ koy jaar ci seen bi Amdi Ndiaye moom mooy jël day jàpp ci ki nga xam ne moom Pambay encore on va décaler côté gauche peut-être pour Amdi Ndiaye Amdi passe à Mbaye donne le centre en retrait dans la surface de réparation et bonne sortie de Sambolo bonne sortie de Sambolo très belle sortie de Sambolo très belle sortie de Sambolo Très belle sortie de Sambolo. Le ballon à Saho pour jouer ce coup franc à qui remet à Saho. Saho qui va s'appuyer sur qui Sur Papa Mbaye. Papa tegal Amdi à Amdi yokal qui a amené ne Kaka. Passe bi un Et Mom Aziz mooy yokk ki nga xam saint jean Mbacké Sall. saint jean Mbacké peut-être dans le centre dans la surface de réparation. Saint-Pierre Sall 2 à 2 heures. Le centre contré. Et c'est directement ci ki nga xam euh, Bamba. La, le dégagement de Bamba. day jàpp ci am ni Ndiaye ñu daal di koy xërtal waaye ba tey am ni moom moo téye bal bi da koy delloo gannaaw jox kaka kaka yokk ballon intercepté par Tabana mu dóor benn crosé l'arbitre va laisser l'avantage Ablaye moom mooy dee Ablaye déboule bi de marquage qu'est-ce qu'il va faire moom Laye il décale droit pour Sëñ Cheikh Mbacké Sall Sëñ le tire le centre et c'est contré par le Sakho et un corner en tout cas qui le positionnement des uns et des autres nekk taxaw fi nga war a taxaw attention bal bi jóg na Bamba la volée de Bamba bien joué il faut être maître de chez soi sa kër yow yaa fay commandé. noonu eh, c'est Jean Demba Khassim moom moo yor bal bi noonu te yokk ci kanam jàpp ci ki nga xam ne moom mooy Omar Diallo le bien défendu par Abdouaziz Lo qui a mis le ballon en corner. Abdouaziz, après un bon centre d'Omar Diallo, mais malheureusement pour lui, Abdouaziz Lo était là. Et Sambolo aussi qui était prêt euh, pour euh, sortir, prendre la balle. Et deux minutes de temps additionnel. Bamba il a c'est pas possible il a sorti le ballon kan c'est le c'est le c'est le c'est numéro de ah ouais, Momo c'est un attaquant de penc Momo oh, moo dégagement de la défense de talon bi du amna pour dëkkandoo dans la moitié terrain rapidement joué attention ils veulent surprendre il va frapper à côté c'est bien parce qu'ils ont tenté de surprendre quelque part qui se bouscule ak ki euh, Papa il prend le dessus et là il va il va tenter un tir de loin à côté de... Ablaye Ba et Kor Dior Kor Dior lay nuyu. ah eh oui bonsoir. Kor yaa ngi tardé match bu neex a neex nag mais bonsoir kan. Penc ñoom ñooy yore ballon bi don la déviation Penc qui garde la possession Fapalña le rebond deuxième rebond attention le centre enchaîné la date. le gardien de Dekendo qui vient sauver encore une fois les verts et blancs de Mama Fall. moi moi, je <laughs> eh, eh. génn ci quoi. au combat de dëgër la l'arbitre la yeux. Papa Ndiaye Kaka Ablaye Diallo qui réclame le ballon. Abdoulaye Diallo le dossard numéro 13 il a préféré le garder et tenter une frappe Samba Lo qui se couche sur le ballon. jàpp ci Abdoulaye Diallo Abdoulaye Diallo pour Moussa Moussa pour Jean ñu daal di teg une mooy téye jàpp ci Ismaïla Pouye dans la surface de réparation ballon poussé par ki nga xamee ne moom mooy Samba Lo en deux temps. il est magnifique il est magnifique Samba Lo. Mais voilà, j'ai terminé. j'ai terminé, Mohamed 0-0. Mais il faut quand même les féliciter. Ils ont joué, ils ont cherché, il y a eu de l'intensité, il y a eu de l'engagement mais ils ont joué aussi dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu trop de casse. Euh, félicitations à Peigne, félicitations à Degono. Oui, félicitations Peigne, félicitations Degono. Un match nul 0-0, même si l'enjeu et l'engagement étaient de là. Mais heureusement pour eux, que Kenou dugalul sa morom et match bi doyen ci noonu la dit. en tout cas mu nekk match bu nga xamee ne bu am am solo la. et gis nga ko image yi match bi jeex na kenn ku ci ne yaa ngi saafonte sa morom kenn ku ci ne yaa ngi sa morom et loolu rek moom mooy l'essentiel. ici au stade Albouri Ndiaye de Louga.